ne va pas, ne va pas, ne va pas. Ça ne va pas, ne va pas, ne va pas. L'escoudini, ja, ne vous amusez pas. Ça ne va pas, ne va pas, ne va pas. Taper, ça doit taper, taper, taper. Ça doit taper, taper, taper. L'escoudini, ja, ne vous amusez pas ça doit taper, taper, taper. Crier, ça doit crier, crier, crier. Ça doit crier, crier, crier. merci beaucoup. On est avec les scouts. Applaudissez pour vous là. Hola. Oh, <laughs> vous l'avez compris, c'est les scouts qui nous reçoivent aujourd'hui sur la FADA. yaran su kutu matasan da muke tare da su sun ce ça ne va pas ça ne va pas ka a duka abin da bisa sai kin ba fa barkan ku da zuwa bisa kan shirin ku na matasa da studio kalangu take sarrafa muku chaque samedi et dimanche à partir de 17h Vous avez bien fêté, j'espère, le mardi 3 août passé. C'était le 61e anniversaire de la fête de l'indépendance. Wannan sallah samun incin kan namu kuma mun san da tun shekara 1975 1975 kenan game take da sallar itace. Pour cette édition, c'est le Moringa qui est à l'honneur ga gina jiki kuma ga kasuwanci ana iya yi da ita to aka ce zogale za a dinga shishifkawa bana dai zogale aka shifka to mu na jira mu gani hallo baɗiya ne za a yi ko a shirya ɗan tigadigan shi à cette occasion nombreux sont les jeunes qui pensent à la préservation de l'écosystème da yawa sun shifka itace albarkacin wannan sallar tun ba ma cikin kungiyoyin matasa mun suke yaƙi da kariyar muhalli to yanzu kun ga mun zo tare da wasu a cikin su cependant après toutes ces années à planter tous ces arbres chaque 3 août notre pays est encore très très loin de ressembler à la forêt tropicale. Comment les jeunes s'impliquent-ils dans ce grand projet de reboisement de la ville de Niamey On est avec les scouts de la région de Niamey. Ko juste d'être qu'on est à table, ça ne va pas, ça ne va pas, comme euh, ceux qui ne va pas à cette fada. On parle de ce sujet qui leur tient à cœur parce qu'ils ont participé à ces festivités et la plupart d'entre eux ici ont planté des arbres, c'est ça, non Oui. Et voilà. Nous sommes avec Hanatou Hamida. Elle, elle est des Lions Club. Ça va, Hanatou Ça va, bonsoir. Tu vas bien Je vais bien. Et vous Tu à la fada. Baraka kare, baraka. Kema kina cikin kungiyar matasan nan comment su sukutu ne amma ku Lions ne ko? Eh. Lions, ça veut dire ku ne eh. zaki. Eh, ah, zaki. <laughs> ah, madame. Nous sommes avec Amadou Darajia. Il est commissaire national au Louveteau. Euh, bah, Vous gérez des Louveteaux ici Oui, au fait, euh, les Louveteaux, c'est les plus petits euh, chez nous, les scouts. D'accord. donc, qui ont entre l'âge de 6 à 10 ans. Donc euh, moi je suis, le national, donc je m'occupe euh, de tous les louveteaux du Niger. Ok, tous voilà. les petits scout qui scouts. Voilà. Voilà. Ils étaient aussi engagés pour euh, la fête du 3 août. Oui, Vraiment, c'est une valeur qu'on leur inculque on, n'a laissé personne derrière, on est tous partis. Super. Nous sommes avec Orana Toumaïga, elle est cheminot scout. Ça va Ça va bien. Hein. Ah, qu'est-ce que tu as planté Le Le Nîmes. Nîmes là, on va manger quoi dedans <laughs> Pardon. Eh, on va manger quoi dedans Tu peux pas planter. Hmm, donne-moi son nom. Moringa ou manguier même. On va revenir manger fruits là. Ah, vraiment, affaire de Nîmes là, il faut quitter la salle. Nous sommes avec Abdelhayat, lui, il est routier scout. Yabiki Madame Allah. Ça va Ça va bien. Tu barkan karza biskan shirin tusa ala fada. Barka. Shaila Mahamadou. Elle eh, est cheminot également. Kake ce mun da Allah ke ma nim kika shifka. Tu as planté quoi <laughs> El Makka. Haba. Ke muna yan mon. wannan diga dige da kayan kodo mu je gidan ku amma ke shifka wannan nim haba. Vous l'avez compris dans cette émission, en train toujours avec notre musique la rubrique préparée par M. Dondi est la chronique de notre chroniqueur chouchou, Olivier. faisons un tour à Dosso où en partenariat avec les autorités locales plus de 400 jeunes ont planté des arbres c'est dans un reportage de notre correspondante à Dosso Nana Hadiza Hassan la mairie de Dosso nous a appelé pour une collaboration ils ont initié un programme euh, intitulé Reverdir notre ville de Dosso. Dans ce programme-là, euh, ils ont prévu de planter 1800 euh, plants. Et dans un premier temps, nous, les associations des jeunes, le cadre de concertation, sommes 30 associations réunies et on a demandé 15 par structure, ce qui fait au total 450 jeunes mobilisés. On une première phase, on a eu à planter 800 plants sur cet axe-là. La deuxième phase aussi concerne aussi, on a eu à planter 800 plants. Il y a un comité qui est déjà mis en place pour la, pour la suivi parce qu'il ne s'agit pas de planter seulement, c'est la protection qui compte aussi et euh, qui fait la réussite et c'est la protection aussi qui nous permettra d'atteindre notre objectif. Nous avons euh, mis en place neuf comités de suivi. Dosso, il y a neuf quartiers et chaque quartier aussi, et chaque quartier va suivre une partie. Il y a des gains, c'est-à-dire les enclos là que nous sommes en train de, de mettre. Dites-nous d'abord, vous, comment vous avez célébré cette fête comment tu, comment tu as fêté Orana tout. Mhm. Tout le monde garde son micro comme ça, comme ça je vais pas rater une minute de ce que vous allez dire. Ça s'est passé comment Ça a été très bien. Nous avons bien fêté le 3 août. Ok. individuellement c'était en groupe ou c'est l'association Nous étions en groupe avec l'association des scouts du Niger. Ok. Oui, avec le premier ministre. Ok. Et chez les Lions c'était comment C'était bien. Yayi eu yi sallah lafiya. Mun mhm. yi shifka itace a can wajen sapeur pompier du nouveau marché. Ok. Tout, ils ont demandé de, des arbres fruitiers. Mm Donc euh, nous on était en collaboration avec nos, parents qui étaient les lions. Mm. Donc euh, ça a été bien. Ok. Toi tu as planté quoi Un manguier. <laughs> On va revenir. <laughs> se voir après. On va aller voir ton arbre là, il pousse comment <laughs> voilà, je reviens vers vous. Qui gérait les louveteaux C'était comment la fait avec le louveteau Hamadou, Oui, c'était bien. Hmm. On a bien fêté. donc euh, hmm. euh, déjà euh, avec l'autorité leur objectif c'est d'avoir un Niger vert donc on s'est lancé su ga Niger ta zama tsanwa. Shi ne muka tashi tsaye mu ne eh, di Niger kusan harkan environment ba a bari mu baya. mun jaya damce mun ce zan mu ba da kanmu saboda mu samu wannan Niger tsanwa. Kuma ai yaran kankana hallo da su ka Da su muka je su ma sun shibka. Mun shibka 'yan makka kamar yadda Shaila ta gaya miki mm. wannan mun yi shi. Yanzu wannan shibke-shibken da muke yi ba za mu bar shi baya ba. Insha Allah Hmm. zamu kula furke mu za ku kula da eh, su ba zamu kula da su insha Allah ba za mu shimka ba mu bar shi ya abin insha Allah okay to zan zo ka tambaya ta biyu duk da yake kariyar muhalli abin da ya shafi kowa ne amma ba kowa yake samun dama ya ya shifka wani ice ba man papo lafiya di tuwa ko hakan gama dai wani cikin gidan shi ma zaka zo ganin gidan nashi kawo babu dan tsanwa ko guda et toi dis-moi pourquoi tu tiens à planter un arbre tu t'engages pour l'environnement pourquoi personnellement pourquoi ça te tient à cœur bonsoir Bonsoir, Moi, je me présente au nom de, je réponds au nom de Ali Maazou. Uh-huh. Je suis scout du Niger, je suis routier. Ok. Merci beaucoup pour la question. Je vous dire, dans notre loi, on a un article qui parle, le sixième article de la loi scout parle, le scout découvre la nature et la protège. Ok. Euh, je pense que ça peut répondre à votre question, puisque il est de notre devoir de le faire. De protéger Pas seulement le 3 août. Chaque jour, je pense que quand on a le temps, on devrait planter des arbres. Et aussi le plus dur les surveiller ouais l'entretien hein? l'entretien akwai wanda ke da karin bayani cikin bisa magana tamu ça va euh, ni salam alaikum dai sunana hamisu bagaji da rani hamisu ni ina cikin kungiyar lions club ne Mm. to shi ne yanzu mun ji dai matasa dai kowanne dai wannan sallar ta itace dai ya ji ya samu abin da ya shibka kai ma ka shibkan itacen eh tabbas fito na shibka ice ni ma kan kai na itace ma zan ciya ba su ni ka shibka in shi ne ba bedi ba ka shibka a ba shibka bedi ba bedi mm. <laughs> mun ga ya dan yawa cikin garin nan kenan a dan canza a sa itace ba abin da ake ci gare shi ni ba abin da ya tsaya ma a duka yana da unhwani amma yanzu wanga gamin ba mu shibka bedi ba mun canza itace ne masu ɗiyan kayan eh, alatu ko me ake ci wala Allah ta ci su ne aka shifka <laughs> eh. alamun shifka itace da dama masha Allah to me yasa yanzu duk da mun gani ba kowa ke da dama ba ya taya sa kan shi cikin wannan harkan kariyar muhalli kai me yasa ka sa kan ka ciki haka je okote da te kuka haɗu aka yi da ku me yasa kai ka sa ka cikin wannan kariyar muhallin masha Allah eh, abin da ya samu cikin wanga kariyar muhalli ko kuma protection environment da ake mm. cewa ƙungiyarmu lions club tana cikin abubuwan tahiyanta da abinda wani abu da muke ce ma, protection de l'environnement kawo wannan abu ne da yake da mahimmanci wurinmu a ce mun kare environnement mu eh, mm. muhallinmu inda muke zama muke abun ga don duka throughout ko ba ma throughout ba mu Lions Club muna haduwa muna zuwa muna shibka itace kuma muna kula da su har sun girma abin da ya sa muka fita dukkan mu tsakankanin muka fita muka je muka dasa itace kuma bancin ma dasa itace muna ƙara tuta muna zuwa muna kula da su mu ga ya ne ci gaban su yake nan gayi da abubuwa abin da ya sa ma muka fita kenan dan yana cikin din mu mm. na priority na association mu to kun ji da wa'annan matasan dai sun ce dai su dai ta yi kungiyar su ce ma haka nan an ba wannan kare muhallin muhimmanci kwarai a cikin harkokin duka haɗe-haɗen da suke yi da takardun su wanda suke tafe da shi dai da aikin da suke yi cikin kungiyar su dai to yanzu ka mu ci gaba da wannan hirar zamu ka bangaren dondi shi kuma cikin rubrikin tashi mu ji da waye hira a on se retrouve juste après aux côté de nos jeunes euh, super héros de l'environnement mais <laughs> voilà musicale dit la machine. Te souhaite tout simplement la bienvenue sur l'artiste film. T'es sur le studio Kalangu. T'es sur l'émission tout ça, la Fada. Cal, ça va bien Oui, ça va bon. Dis-moi que tu pètes la forme, s'il te plaît. Non, je suis, en plein forme. Tu es en forme, n'est-ce pas, Mr. Cal Alors, puisque tu es en forme, j'ai envie de savoir un certain nombre de choses sur l'artiste. Il y Nous sommes kiffés à travers le Niger. Elle est quatre coins, à travers 46 radios. Yeah, Elles sont partenaires ces radios. Alors, ces jeunes qui nous kiffent, à travers, bien évidemment, ces radios partenaires, ils ont envie de savoir tout sur Mr. Cal. Si je te pose la question à savoir qui est Cal, tu vas me répondre quoi euh, À l'état civil, commençons d'abord par le nom et le prénom, c'est important. C'est Ousmane Abdraman. Ousmane Abdraman, ouais. Eh, tu sais que c'est aujourd'hui que même moi je suis content à faire Ousmane Abdraman. <laughs> <laughs> non, mais sérieux, mon frère. beaucoup de connaissent mon prénom. Ben, voilà. Donc, du coup, on va aller avec euh, ta date de naissance. Tu as euh, un 29 euh, janvier. La il est tout simplement jeune, vous l'avez certainement constaté avec moi. Marié ah non, non, célibataire. Célibataire. Situation matrimoniale. J'aime cette partie tu as combien de go dans ta vie Allah. tu de dans la vie Je sais pas quoi, man. Ah, tu quoi Je sais pas quoi. <laughs> Mais c'est ça aussi. La question piège. Ok, d'accord, de la situation matrimoniale. Ok, pas de souci, Mr. Calme. On va parler aujourd'hui de ton parcours, le parcours en question du combattant. J'ai envie de te cuisiner un peu. Commencer d'abord par savoir euh, par quoi tu as commencé bah, c'est important je, le rappeur hein, au tout début dans les années 2000. J'avais commencé. J'avais commencé vraiment trop trop jeune. Et quand le mouvement c'était comme si c'était de la mode, tu te rappelles quoi ah, Je me rappelle très bien. voilà. Ah, Donc c'était une mode MC et puis rap, tu vois. Donc j'avais commencé avec mon premier groupe qui s'appelait Big Men of Adair. Big Men of Le groupe Donc tu as commencé le rap à Ottawa c'est ça Oui, ouais, j'ai commencé à Ottawa et voilà, et après Big Man Father, mhm. donc euh, on avait créé WhatsApp Boys. Que j'étais presque le fondateur parce que c'est moi qui WhatsApp donné, voilà, qui donné le nom du groupe et puis voilà. Donc euh, on a fait beaucoup de choses ensemble jusqu'à remporter certains prix comme Rap Aïr en 2006 là. 2006, ok. Donc euh, ah. et après ça, c'était après ça j'avais quitté le groupe pour entamer une carrière solo. Tout simplement. Alors la carrière solo tu l'as entamée ici à Niamey ou bien ah, à ah, c'est depuis Tawa. Tawa, on t'appelait comment dans le temps tu oublies, c'était Cal. C'était Cal. Pourquoi Cal Explique-moi. K, K, A, L, Cal. Tu as tout calé sur l'émission. Pourquoi Mr. Cal euh, En fait, euh, Cal, c'est le préfixe euh, de mon surnom. Ah, ok. Qui est Kalao. Kalao. Pourquoi Kalao Pourquoi Kalao eh, Moi, je pensais que quand je demandais à ma mère, mhm. elle m'avait dit quand tu étais gamin, tu pleurais beaucoup. Ok. Et quand son cousin venait à la maison. Mais tu pleurais ou tu chantais Adam Junior nous a tous, ok, d'accord, bercé. Ben, hein. parce que nous aussi, on l'a ouais, Pour te dire aussi que j'ai chanté aussi Adam Junior. Ah Alors aujourd'hui, attends, écoute, Mr. C'est important, euh, n'est-ce pas, qu'on parle un peu de ton parcours. Tu as commencé euh, dans les années 2000. Alors on va faire, on va parler un peu de 2000 à aujourd'hui. Ok, d'accord. 2000 euh, à aujourd'hui. Tout a commencé en 2000, n'est-ce pas On va parler un peu des difficultés que tu as rencontrées, parce qu'on parle du parcours du combattant sur le premier temps. Parlons des difficultés. Qu'est-ce que tu as rencontré comme difficultés C'est vrai. Moi, c'est la musique en fait hein, qui m'a amené à Ok, c'est la musique question qui t'a amené à Niamey. Oui, voilà, c'est la musique qui m'a amené C'est vrai, j'ai une famille ici. Je fais six mois en train de venir, un gamin et retourner sans aucun soin. Explique-moi pourquoi. Et parce que les gens m'ont promis qu'ils vont, qu'ils allaient m'aider, je suis venu. Et aujourd'hui, tu as ton propre studio. Oh, évidemment. <laughs> C'est ça, en fait. Il faut que je ne l'ai pas officialiser, mais il est là. Très bientôt, on va tout mettre en place. Hein. Moi, je préfère au fait te vendre. Attends, je préfère au fait te, liquider, comme on dit. Alors, euh, Mr. K, alors nous sommes pratiquement à la fin. Ah, d'accord. N'est-ce pas, de cette première partie consacrée ton parcours. Aujourd'hui, on te donne la possibilité de t'exprimer. Je voudrais que euh, tu me dis, en tout cas, tout ce qui vient du fond de toi, de ton cœur, de tes entrailles, pour qu'on puisse changer les choses. Je voudrais que tu t'adresses à cette jeunesse. Je voudrais, parce que tu as toujours conscientisé, tu as toujours pu, euh, tu as toujours parlé, je voudrais que tu t'adresses aussi à ces animateurs. Je voudrais que tu t'adresses aux autorités pour qu'ensemble nous puissions changer les choses, pour qu'ensemble nous puissions, euh, en tout cas, faire grandir la musique. mais des l'artiste calme s'exprime. Hey je pense qu'aujourd'hui, chacun doit faire sa part de responsabilité pour faire avancer les choses, quoi. Moi, je suis un artiste, je fais ma musique, je rentre au studio, Je fais des mon pour faire des bons clips. Et ben voilà, ceux qui sont censés promouvoir, ils devraient le faire sans se préoccuper quoi de qui tu es. Quand un produit est bon, il faut juste le faire promouvoir parce qu'il y a que comme ça qu'on peut avancer. Et en plus, euh, Aujourd'hui, je pense que nous, ce qu'on demande à l'État de faire en tant que jeune, c'est des ouvertures. Parce que l'État ne peut pas donner de l'argent. Mais créez-nous des ouvertures, laissez-nous voyager. Donc il faut nous donner cette possibilité-là. Voilà. Ainsi parle Mr. sur l'émission Franco Aoussa présentée par la Miss Machine. Mm. On revient sur la FADA. Aujourd'hui, nous sommes avec Rami Soumangaji qui vient juste de nous rejoindre. Il est de Lions Club. Orana Toumaïga, cheminot, scout également. Zach Amadou, il est cheminot également chez les scouts. Hanatou Hamida, de Lions Club. Amadou Nahajia, lui, le commissaire national des Louveteaux euh, Scouts. zan mu ci gaba da shirin namu amma zan ƙara tana ma masu turaren mu abin da ya haɗa mu yau wannan sallar itace da aka yi ta ut wai matasa menene suka yi wacce rawa ce suka taka cikin wannan kariyar muhallin da ake nan ana ta yi shekara da shekaru tun lokacin kunce ana nan ana shuke-shuken itace to menene za su yi don su sa komai ya tahi daidai kuma mu samu wannan ganin dashin da muke nan muna yi ma a kasar tamu yanzu in zo wajenka za ku hamadu kana iya gaya min wai tun shekaran gara shekarun gara ake ta ana shuke shukan itace eh pourquoi ça ne marche pas qu'est-ce qui se passe pourquoi ça n'évolue pas pourquoi on n'a pas on n'a pas des arbres partout qui sortent de partout pourquoi to assalamu alaikum wa alaikum salam ko dai sunana dai Ahmad Karki Abdulzaku mhm. Iskuta mhm. da Niger okay mhm. abun da yasa da warko abun ga itace mun ka sa su ba su zuwa don ba nan ga entretener su amma yanzu mun gane da wannan ne mun kai sake da shi da bamu nan ga an taitenir da su mm. yanzu insha Allah waɗanda mun ka samu da zantan muna tayya mu gan kakane karuwarsu na ci gaba mu mm. waɗansu itace sai an sa musu furoji mm. dan da kansu ba su ya abin ga ƙara girma haka nan da a samu a samu su furodi oh. ok wasu kuma da za a sama ruwa halo ya zafi to waɗanda aka sama ruwa in kotan da mun ka shibka su dan koti da dama ne mun ka shibka mm. tun da shekara duka ana shibka amma in kotan da mun ka sa in mun samu ruwa sosai wanda muke so su bai kai sai an yi wani itilizar ruwa amma in dai babu ruwa sai dole mun nemi ruwa tunda ko oh. mutum dai in bai ci bai rayuwa <laughs> haka ne to kenan yanzu kamar kusan inda kuka shishibka in akwai gidaje da mutane vous pouvez les mettre a contribution ou vous avez pensé à ça ou pas encore oh bon haka nan ma ne tunda da an kace iskut di Niger wa ko ina akwai eleman iskut mm. yanzu cikin yamai ban ga karken inda ma mun kace mun kasa akwai eleman can yanzu su suna iya ma occupy deja ma an yi meta place in su su ne za su occupy da wurin nan tunda wanda avil har ya ce. kwana biyu zuwa kwana biyu yana zuwa can cikin wani karce ya dibi haƙaƙa ne ƙaruwarsu eh, na itacen yana ɗaukar mm, lokaci amma waɗanda a cikin karce in da mutane mutane ne ko ina akwai iskut mm, oh. kenan wanne ya kula ko kuma lions ya ne organize ko amma ina kuta ku shibka da amma wasu ne ke da koko kuma sun ba ku sun tabbata muku su kula da itacen da ku shibka musu ko ya ne za a yi halatu ya ne za su yi wani mutane ku ma itace to mun yi shuwakin wajen ne tunda akwai mutane da za su iya kula da su don euh, da muka je wajen shifke-shifke ma mun ta yi da abubuwan da za su protege kin shifka kwa dan shi ah, muka yi shuwa eh, da da sauran abubuwan su dan shi muka yi shuwakin safar pompe na nouveau marché eh. su ko yaya aka yi ba su rasa ruwa ah, don ba a rasa kuma mutane da za su kula da su Mm. Donc, dans Chine, nous avons fait le choix de, des sapeurs-pompiers dans Chipka Chipkamo. Ok. En non, c'est bon. Ça, ça rassure, hein. D'accord. Donc, on a coutume de dire qu'au Niger il y a plus de cérémonial que d'engagement vraiment vraiment musakan Harakan, matsowar hamada da ake ana shekaru que pensez-vous de la politique du pays sur cette question Je amar Niger Vert, comme tu l'avais dit tout à l'heure. Euh, ni a ganina su wannan shugabannin ya kamata abin yakamata, ya kamata ya kamata su kama su bada su kana su gudunmuwa furke mu ma mu tashi mu kama musu wannan euh, Niger Vert din mu mm-hmm. lale, mu ga lalle ya zama gaskiya. Saboda ni ne na gani abin da ya kamata shugabanni su yi. su kawo gudunmawa su kama matasa tunda matasa sun tashi da kansu kowane matashi da gaskiya wannan sallan kowane ya tashi da kanshi ko ina kana gani cikin facebook whatsapp kowa yana nuna shi ya shirka uh, mm-hmm. lejen uh, sun ba da kansu suna son su ga wannan niger verin um, idan suka kama mu kuma wajen mu mu kula da su furke su girma wannan ba wani karamin abu ne saboda ni kaina guri na mine ne mu kama ma yara uh, su rayu babu rayo yaro kuma in ba a kula da wa'annan ba a kula da muhalli da muhalli da wa'annan itacen da wani paske su ne rayuwarmu kenan eh, abin da daga authority ya kamata su yi sai sun yi da gaske su kama wannan insha Allah matasa su kuma za su ba su wannan nasu gudunmawa insha Allah Oranto je reviens vers toi toi qu'est-ce que tu vois comment tu trouves euh, la politique du pays par rapport à ce grand projet parce que là c'est un grand projet vraiment qu'on a comment tu vois euh, la politique du Niger sur cette question La politique du Niger, je vois, il faut qu'il fasse des mobilisations aux gens pour qu'ils puissent planter des arbres de temps à autre pour lutter contre l'avancée du désert. Ok, donc il faut vraiment une réelle mobilisation selon toi Oui. D'accord. Il faut mobiliser les gens aussi pour lutter contre l'avancée du désert. D'accord. Hamisu ina kana don karin bayani bisa kan wannan tambayar abin da dai zan ce a saman ka wanga bayani da kuka mhm. sai dai in ce gwamnati ya kamata su ɗoki wanga abin eh, su ba shi muhimmanci su doke saman zuciya shi ma in ma son samu a ce an sa shi cikin abin da za priorite mu dan mhm. yau Niger kowa ya sani a da da yanzu ba ɗai ba itace babu muna shibka amma banza abdurke babu kula cikin dai al'umma dai ba a rasa wanda ba a cewa suna da bakin nihi sun sanya mhm. abun bai da kyau amma suna ta yi don neman abincin su ko kuma wani abu eh. su ma ya kamata a je wajen su ana nan ga wayar san musu da kai da bai kamata ba suna je suna cire itacen nan don itacen nan kariya ce take gare mu mhm. saman kan wanga avance in desert da muke gani kenan gwamnati ta fito ta ja ma al'umma da kai mu ma kan kanmu da a wala da kunnuwa wala mu ma mhm. kan kanmu da a population mu sani da abu ne da mai mahimmanci da ya kamata mu yi kun mu kula da shi dan kanmu ne ba an mun yi dan kanmu ne to akwai wanda ke ga mun cikin kungiyar ku wani irin mahimmanci ne ku ba shi tunda ɗazuma an fara zancen amma ina so in ƙara shi hallo cikin ƙungiyar taku ya ne ku kuke ganin za ku bada da gudunmuwar ku don komai ya tafi don a ci gaba cikin wani yakin da ake na kariyar muhalli za ku amadu ya kuke ganin cikin ƙungiyar ku za ku yi pour vraiment faire bouger les choses quoi to mu deja ma tun abun gamu na warko ma yana cikin artikel mu mhm. artikel kamar yana cikin dokokinmu mm. da muna son wuri wadda muka ce mu Nijar ya koma kore shar-shar-shar muna so ya koma haka nan amma ba kamar mutane kaɗai ne ga nan gasa sa bai nan ga koma tun tunda sanction ne ma babu tunda ana kufe in arbir ne ana ah, kufe su ne kama wani ke zuwa ya tsare oh, ana sa ba ba sawa ne ba ana sa kawai ba su waɗanda sun ka taso nan harasin ne ma suke kuffi kenan ba iya ce kuma su taso abin da an ka cire abin er, ɗan ran gaskiya kuma ba inda za a oh, tafiya amma mu da warko mu cikin ma abin gamu cikin article mu yake is could protege la nature ouais yank ce scout protège la nature à Antiedoka. Donc déjà un peu compté sur vous hein, pour ça. Inch'Allah. Ben vous voyez sur cette note d'espoir, euh, euh, Zaku, il dit bien qu'on peut compter sur les scouts, qu'on peut compter sur les Lions, vraiment des jeunes qui sont très très engagés dans la protection de notre environnement. Euh, sur un tout autre plan, vous savez la fada, c'est aussi euh, de la détente. Ah, certes, on mais ça ne va pas nous empêcher de lancer un clin d'œil à nos jeunes mariés. À un vacances, ko ina ake ake nan gayi donc je vous propose d'écouter Ayana Kamura la dot ça c'est vraiment un coucou à nos jeunes mariés depuis la Fada ici à Kwartegui les scouts on leur souhaite euh, heureux reménage et tout et tout et on se retrouve juste après On s'est rencontrés, j'avais pas levé. J'avais tous les mecs sur le bas côté fais belle et tu vas caber. Je suis rendu, prends-moi cadeau. Dans les recoins de ma tête, y a comme un truc qui m'a fait. Suis le faux pasteur et c'est ma conscience qui me l'a dit. Ok, je suis la cible, je prends tout le packaging. Je veux venu, je suis là pour toi. Tu me voulais, tu m'as eu, il a fallu me prouver ton amour. Tu me voulais, tu m'as eu, il a fallu me voilà, on revient sur la FADA aujourd'hui. Il est question de la protection de l'environnement, de l'engagement des jeunes dans ce reboisement du pays, de la ville de Niamey. Ils étaient euh, sur le terrain aux côtés des autorités de Kassante en Shishibka. On est à Jandasu, Watson Shibka Mangoro, Watson Shibka Zogala, Watson Shibka Kuma, Bedi. Donc, <laughs> hirar muke nan ga yau tare da Hannatu a Hamida, elle est des Lions Club, Amadou Danhagia, lui, il est des scouts. Nous sommes avec euh, Oranatou Maïga, elle est nous, chez les scouts également. Zaku Amadou qui vient juste euh, d'intervenir. Concrètement, dites-nous comment on peut faire bouger les choses, des idées, des pistes de, solutions qui vont vraiment aider tout le monde et ceux qui nous écoutent et euh, les autorités. Hanatou, je commence par toi. Au fait, euh, c'est abin da ya kamata mu yi hmm. shine matasa ka su yi kwante kawai biskan gwamnati don cigaba abubuwa eh matasa su tashi da kansu su yi me yake da suna ki lutte contre le, le su doki oui su ba su mahimmanci donc euh, même si in kaman création kin association suke pour l'avancée des choses quoi ouais don dai abin da ya samu eh yanda shi ma ya gai ya kamata a sa doka concernant wa'anda ke tahiya daji cire-ciren itatuwa a shibka su je su cira su zo su saida da kuma il ne suffit pas de planter ouais. il faut aussi entretenir et puis veiller à l'évolution de, de ce qu'on a planté ouais ça donne eux que les, les chèvres ne viennent pas bouter. C'est, ça. Quelques jours après, ce qu'on a planté. Na c'est quoi euh, wa? tu shawara za ka Ni shawara ta eh. shine ba shibkan ba. In an shibka kula da iccen har ya girma. Hmm. don saboda ne duka wannan matsalolin da muke ta shibka ba mu samu eh, wannan nijar wannan eh. cigaban su saboda ba a kula in an to an kai ut na shibka ice sallah ce na yi sallah na shibka na ta na bar shi ba zai girma ba mai idan aka shibka aka kula za shi ci gaba za ya girma mu wajen muskut duk inda muka yi shibka muna kula da eh, wannan shauka. Shukokin naku ba. Hmm. Eh, to kun ji ko wannan matasan dai ba su wasa da wannan wannan tare muhallin sun sa kansu tsundum a ciki. bisa kan wannan za ni kiran Olivier ya zo mana shi kuma da kronikin shi On se retrouve juste après la chronique de notre chouchou Olivier. Amis auditeurs et auditrices, bonsoir. Ce soir dans la chronique, nous avons parlé espionnage. Se faire écouter à son insu par un individu ou un groupe de personnes. Eh bien, il y a de cela quelques jours, un scandale numérique éclata de par le monde. Le scandale Pegasus. De quoi il s'agit Quels sont les pays touchés et qui sont les utilisateurs de ce logiciel Le logiciel Pegasus, de quoi s'agit-il concrètement Selon les résultats de mes recherches, Pegasus est un logiciel espion destiné à attaquer les smartphones sous iOS et Android. Il est conçu et commercialisé dès 2013 par une entreprise israélienne les premières traces de ces intrusions ne sont découvertes qu'en 2016, soit trois ans après eh selon les experts, une fois installé sur un appareil, le logiciel Pegasus accède aux fichiers, messages, photos et mots de passe, écoute les appels et peut déclencher l'enregistrement audio, la caméra ou encore le suivi de la géolocalisation. Concrètement, une fois que le logiciel Pegasus vous piste, ce que vous faites, avec qui vous le faites, où est-ce que vous le faites, sont dévoilés. Et même pire encore, vos projets futurs sont dévoilés eh bien, avec Pegasus, vous êtes contrôlé 24 sur 24 et 7 jours sur 7. Et tout cela à votre insu. Alors, parlons du récent scandale qui a éclaté en juillet 2021. C'est un consortium de 17 journaux internationaux qui a dévoilé l'utilisation du logiciel d'espionnage par plusieurs pays, dont le Maroc. Mais, chose surprenante, au Maroc, même le roi et certains de ses proches auraient été victimes de cet espionnage. Outre le Maroc, des citoyens de certains pays ouest-africains, comme le Togo par exemple, se plaignent depuis plusieurs années d'être mis sur écoute. Mais cette fois-ci par les pouvoirs publics. C'est le cas du professeur David Dosset qui affirmait en février 2020 Je sais que je suis surveillé. À la base, ce logiciel d'espionnage est utilisé pour lutter contre le terrorisme, mais les esprits malins n'hésitent pas à l'utiliser contre les journalistes, les opposants, bref, tous ceux qui contredisent ce qu'on ne doit pas contredire. Avec ce scandale, le vendeur du logiciel n'aura-t-il plus de clients On se demande. Le mal est en temps. et qu'on le veuille ou pas, chacun a envie d'écouter l'autre. Enfin, les grands, ils ont envie de s'écouter. Bien. Jusqu'alors, c'est le pouvoir public qui est pointé du doigt. Mais quelles pourraient être les autres utilisations de ce logiciel Réponse demain dans une nouvelle chronique. D'ici là, portez-vous bien. Paix, lumière, amour sur vous. One love. Bye bye. Merci bien Olivier. Ben c'est la fin de tout ça la fada français à Oussan. Nous étions avec les jeunes scouts de Quartegui. On s'applaudit. On est à Quartegui, non Ben voilà. <laughs> Nous étions avec les jeunes euh, Léo. C'est comme ça que vous vous appelez, hein, les lins. Ok, les Léo et les scouts. Aujourd'hui, on a compris, on a senti leur engagement vraiment aux côtés des autorités. Ils étaient là pour la fête, mais ils étaient là également pour planter des arbres. Et on parle d'entretien. C'est important ça. c'est ressorti tout au long de cette émission que c'est important d'entretenir kenan ba a shifka ba a kula da su wannan itacen a ga sun bunƙasa ku da wannan ganin dashi mu same shi to tare da wa'annan wata sun za mu ku ban kwana sai mu ce sai mun ƙara haɗa bisa shirin ça alafada za su ci gaba da hirar tare da dondi za su yi zance bisa kan kulawa da itace kulawa ya ne za a kulawa in suna da fiscal solution za su bashi bisa kan ya ne za a kulawa vraiment concrètement a cikin baki ba sai mu ce a huta lahiya